maaleykum salaam Sénégal bi fii nii moom ici au Sénégal yi tax mu bëri xam nga yu bëri kii la quoi maanaam dañuy xeeb métier fii nii Sénégal fii nii xeeb métier daf fi bëri par exemple yi nga xamante ne bi da nga koy bañ fii des fois da ngay génn à l'extérieur te loolu noonu da nga koy nangu te yi nga xamante bi tamit Euh, amna exploiter ce pays bon par rapport à moi bon je veux dire tout simplement que le chômage est dû à plusieurs causes parce que il y avait un auteur qui avait dit que c'est la jeunesse qui fait bouger le monde et aujourd'hui si nous voyons la majeure partie des jeunes ils ne travaillent même pas vous voyez la plupart des jeunes sous les arbres à prendre du thé et selon moi c'est le, manque de travail. Les, jeunes, bon, ne travaillent pas pour, voilà, pour, pour, voilà, pour satisfaire leurs besoins. Et ils se, ils, se permettent de dire que l'État ne travaille pas et au contraire, c'est eux qui ne travaillent pas. Vous voyez pas mal de jeunes voilà, qui, qui restent sans, rien faire. Ils restent dans l'oisivité. Et, je pense ben, que c'est une cause du chômage. Et on peut dire aussi qu'il y a beaucoup de, beaucoup de gens qui ont une, voilà, de, beaucoup de diplômes, mais qui, qui sous-estiment les métiers. Et à ce point-là, ils ne pourront pas bénéficier d'un travail. Et ça aussi peut augmenter le chômage. Oui, chômage, je n'ai pas problème. D'une part, je les jeunes, d'autre part, chez l'État. ci côté jeunes yi pour man jeunes yi dañoo war a des war pour bañ il faut que am dans les pays du tiers monde par exemple le Sénégal où nous sommes il y a la croissance démographique qui est euh, en nom de la croissance économique et là ici il y aura forcément un problème de créer plus d'emplois, autant d'emplois pour les jeunes parce que les jeunes sont plus nombreux que les adultes et les personnes âgées. Donc, euh, lorsqu'il y a plus, euh, lorsque la croissance démographique est supérieure à la croissance économique, donc là, pour, euh, pour éviter le chômage, ça sera forcément difficile pour ça. Donc, ça, ça aussi fait partie de la première cause du chômage. Le chômage, bon, c'est dû d'abord à la forte croissance et développement du pays. Parfois, il peut y avoir du travail, mais par la forte croissance du pays, il n'y a pas tellement trop de place pour tout le monde. Il n'y a pas tellement trop de place pour tout le monde. En Afrique, il y a trop de corruption aussi. Euh, je pense que voilà, le, fait de voilà d'aider des gens qui n'ont pas une qualification, je pense que euh, c'est quelque chose qui est anormal parce qu'il faut donner comment dire. Il y avait un auteur qui disait que il faut rendre à César ce qui appartient à César. Et nous voyons que des gens qui n'ont pas une qualification se permettent d'avoir des métiers que des gens qui auront pu avoir une certaine qualification devaient occuper ces postes-là. Moi, je pense que je déplore bon, ce, euh, cet, cet acte-là. mën ngaa kal am benn qualification bi a ngi idée. mais tamit est-ce que yow diplôme bi nga am est-ce que reconnaître euh, quoi est-ce que reconnaître non quoi carrément parce que amna ci ay euh, comment dire ay établissement yo xamanteni ni bi ñoo ngi fi ni da ngay ñëw mais def sa formation par mais diplôme bi kenn du ko reconnaître légui lool non kenn du la mëna jël tamit

ça, on ne devait pas le faire. Euh, donc j'attends que mon parent soit là pour que mon parent rentre là. Ça, on ne doit pas le faire. C'est, ça fait pas beau. Les enfants des autres se battent à l'école, ils souffrent pour venir à l'école. Son parent souffre pour payer l'école. Parfois, son parent est archi pauvre, il fait de l'agriculture au pays, au village. Et toi, l'enfant, il vient te demander le travail. Toi, tu prends comme un simple idiot et tout. Et toi, tu attends que ton enfant, peut-être, il est en licence. Tu attends qu'il fait le master pendant deux ans. L'enfant, l'autre, il a déjà fait le master. Toi, toi, qu'il qui le master pendant deux ans et tu le laisses. Non, ça sera normal. C'est pas normal. Ah, moi, je pense qu'aussi, au Sénégal, nous constatons qu'il y a beaucoup euh, d'écoles de formation. Et ces gens-là, qu'est-ce qu'ils vous diront euh, Lorsque vous venez pour vous inscrire, ils vont vous dire qu'après votre formation, on va, vous, on va vous garantir un métier. Et à la sortie de votre formation, nous voyons que beaucoup de, beaucoup de jeunes voilà, n'auront pas voilà, un métier. Et moi, je pense que ça aussi, ça, ça, augmente, ça, peut, ça peut, augmenter aussi le, le chômage. Moi, je pense que voilà, ça peut augmenter aussi le chômage. Oui. waaw dina yokk taux de chômage parce que ay école de formation yu bari état bi reconnaître leen té ñu bari duñ duñ ki foofu dal duñ xol foofu day ñëw rek jéggi ay école de formation yu dugg ci sans que ñu euh, ñu gëna a informé wu ci école boobu noonu loolu mooy waral tamit chômage di am. Bon, moi, d'un côté, je ne suis pas d'accord. Parce que une école de formation, on a une formation de qualité, une formation. Nous sommes bien formés là-bas, bien renseignés sur la profession que nous suivons. Donc, euh, le seul problème, c'est que ces diplômes ne sont pas reconnus par l'État, mais quand nous voyons ces diplômes, ces formations sont plus, euh, solides. Je ne dis pas que, la formation ici au Cité, ce n'est pas assez, c'est bien, on étudie correctement, mais là-bas aussi, les études aussi sont solides, on, nous sommes bien formés là-bas. Donc euh, moi, je me dis que d'une part, on ne doit pas pointer les écoles de formation. Comme moi, imagine que moi, je vois mon frère qui a fait les études, il a le doctorat, il est à la maison. Mais les parents ont souffert pour l'argent. Et l'argent est fini. Qu'est-ce qu'on va faire Comment on va manger Ça pousse à aller chercher pour les parents. C'est tout ça. Donc euh, pour moi, il y, a trop, trop de trucs. L'enfant deviendra un délinquant. Il, il va commencer à voler, à braquer et tout. Ce qui fait pas beau dans un pays. waaw solution bi moo di ñun ñëpp ñu bañ a xeeb métier ñu bañ a xeeb quel que soit fekkee da ngay jàng nga dem ba yàlla dogal ni sa wërsëg nekkul ci jàng bi tamit bu mu tax nga découragé nga dem man weesu naa euh, âge bu demee di jàng métier non mais au moins nga jóg nga exploité parce que jàng moom amul pertement pour man même boo demoon ba nga xamante ni bi dem nga ba âge ay vingt cinq ans tamit te amoo benn kii profession ci ci domaine boobu non tamit war nga mën dem nga exploiter ci sa bopp fenen quoi ci benen ki amul pertement dama man gisuma man ci jàng bi quoi nga dem fenen nga jéem dem liggéey lenen mais pa ngay xey di teud nan ay état bi li état bi la ak la lo dal mom lañ wara bay quoi ken ku ne nga jog nga jéem dem liggéeyi parce que loolu la rek fi mom ku fi ñak ku nek mom di nga jëriñoo. les jeunes de ne pas se mettre sous les arbres à prendre du thé mais aussi à travailler parce que il y a des gens qui voilà qui privilégient le fait d'aller à, à l'extérieur. Et moi, je pense que ces métiers-là qu'ils exercent à l'extérieur, s'ils l'exerceront aussi au Sénégal, je pense qu'ils voilà, ils ne, ils, ne vont pas parler du, chômage. Moi, je pense que voilà, le, voilà, le fait de travailler, tout ça peut aussi diminuer le chômage. Faire en sorte que que la croissance démographique soit égale à la croissance économique. Donc, euh, lorsque la croissance démographique est égale à la croissance économique, là, pour le chômage, il y a moins de chômage et il y a plus d'emplois sur cela. L'État ah, état il créer et équipes, emploi créer entreprise entreprises recruter les jeunes les diplômés parce que am na jeunes yu bëri yoo xam ne ñoom jàngee ñu niveau yi mais ñu liggé parce que état bi dafa am euh, ay entreprise yu bari wala recruter état bi dafa wara créer wa infrastructure yu bari yo pour jappeler leen pour ñu mëna euh, bi Bon, pour proposer, bon, il y a trop de choses. Il y a trop de choses. D'abord, éviter le tribalisme, éviter l'égocentrisme, euh, faire d'abord que le président tout le monde, que le président voilà, crée de nouveaux emplois pour les générations à venir. Pour les générations à venir, le président doit créer beaucoup d'emplois. C'est tout ce que je, je conseille. quoi.